tey ñuy recevoir ci plateau bi un invité de marque ki nga xamante ne kenn dootu ko présenté ndax xarañteem expertise am ci énergie et aussi son dévouement à la race humaine surtout ci wàllu immigration kon nag euh, monsieur Aboubacar Bengelloune maa ngi lay nuyu di la ziar di la jox aussi sa wàccuwaay may am mbégte bu mag euh, di jàkkaarloo ak yow pour nous fas yéene waxtaanee ñetti poñ ñetti poñ yi premier poñ bi di le nouveau gouvernement muy tonku ci l'actuel remaniement l'immigration clandestine bi nga xamante ne euh, walu immigration nga ci taxaw lol, askan bo xamante ne defoo ci ben différence da nga ne la race humaine comme ni ma ko waxoon ca njëlbéen ba ñetteelu poñ bi di l'énergie au Sénégal énergie toujours nga ci waxtaan waxtaan yu am solo sa sa xel ma auditeur ak FM ñuy émission bi. wa Sall remercier si présentation et en même temps di auditeur euh, <clears throat> Radio suñu si émission bu ñuy langue euh, radio suñu kër mom ndax dañu def dafa dafa nek sama sama radio la parce que fii rek intervenir souvent aux États-Unis et Radio bu nga xamné vraiment day apporter beaucoup si diaspora bi indi ay leeral parce qu'à chaque fois fait indi ay débat yu intéressant nit yi dañuy am point de vue ñu ñëw défendre ko fi et puis euh, di argumenter lolou moo neex si Radio bi radio bi dal du def du dafa faralé quoi Radio bi dafa né kuy liggéeyal askan wi ñëwal fii nga défendre sa thèse sa position

Euh, yoon yu gën jub daal pour askan askanu Sénégal waa Sénégal effectivement ñu mun profiter si dëkk bu nga xam ne yàlla may nañu beaucoup de ressources yàlla may nañu lu bëri waaye ba léegi ñun mënuñu ko jëriñoo si ñu koy jëriñ ñu tuuti lañu c'est ñun on est toujours un pays pauvre alors que lu ñu am yëpp normalement Sénégal tey dañ si waroon mun jëfandiku bañ nekk un pays pauvre et Sénégalais yi mun vivre dignement et et beaucoup mieux que cela voilà donc je te remercie beaucoup. Marem, et donc j'attends j'attends vos questions. maa c'est une question C'est c'est question bien. je solo de solo répondre euh, rien que pour voir, man De que nekk da opposition opposition lu si n'importe quel pays démocratie mënul am sans opposition ndax opposition contre pouvoir opposition nous moy permettre nit ñi diriger de ñu xalaat ci orientation gouvernement bi ci orientation euh, ñuy diriger euh, di pour l'air d'accord nañu wala est-ce que li d'accord ci askan wala opposition fi pour mener la contradiction comme nous ko rek di wax man catastrophisme rek pour wane ko gouvernement bi doxul non opposition dafay proposer opposition force le bu nga xam ne day ne euh, gouvernement bi def ngeen lii waaye li jaaduwul lii la ñu waroon def lii la ñu def wala def ngeen lii d'accord nañ ci waaye wax nañ ko gën defaraat nii la war a demee la war a mais opposition bi tamit nekku fi rek di def ay catastrophe yu fi mun am problème yu fi mus am rek di ko génne et puis euh, mel ni que dañuy dañuy euh, ñaan Sénégal di gën parce que ñi fi nek tant que ñu fi nekkee na fi Sénégal daanu opposition du loolu opposition dafa ñëw nekk un contre-pouvoir nekk ben régulateur bu nga euh ne euh, dafay def ay proposition dafay won population yi que li ñuy def ni baxna wala baxul mais surtout dafay woné que euh, mom su bokul ci gouvernement bi parce que lu mu gisoon ni ni ni moom moo et que gouvernement bi li muy def nekkul dans la bonne direction donc yow bu dé sa aduna yépp dang koy teg pour casser l'opposition, pour essayer de ce aspirer l'aide, ce gouvernement c'est que yow même un programme wala mon vision pour diriger le bi donc là, nous sommes arrivés au Sénégal c'est-à-dire que Macky Sall nouveau président a élire en 2012 Nous avons dañu que élire en 2012 avons changement par rapport à Abdoulaye Wade et par rapport surtout à euh, nous de euh, mais bon ñu ba biir on s'est rendu compte que bu ñu fi bàyyi woon Abdoulaye Wade sax moo ñuy gënal parce que lu muy def c'est pire que tout Mon toute son action mon dans le plan politicien c'est-à-dire que toujours de préparer élection union, c'est si préparer élection union. moi, mooy maanaam ñan pas mun indi man parce que dañ may indil ay électeurs dañ may indil ay nit aujourd'hui bon xoolee boo analyser tuuti da ngay xool euh, le deuxième des élections présidentielles dans une grande coalition, d'accord, coalition IDI 2019. ils ont eu 20 il s'est dit voilà may dem élection muy locale muy euh, législative muy n'importe quoi il faut que me casser opposition parce que opposition bi ma d'accord il faut que me casser ko bu koy casser la def décrocher essayé de décrocher il a le plus de voix donc qu'est-ce qu'il a fait il a dit je vais essayer de prendre ku nga il a 20 c'est aussi simple que ça avec mes 50 je cent nga Je ne ñëpp je ñu def ko c'est 20 je man mun briguer parce que n'a am majorité Mon Macky Sall les lay Malheureusement, malheureusement malheureusement fait que si suñu dirigeants politiques ils ne sont pas sincères si dirigeants politiques politique, ils ne sont pas sincères Nous ils n'ont pas cette honnêteté de défendre ces points de vue toxiques. et puis ne souvent ils sont aspirés par le pouvoir pour des intérêts personnels parce que à la place des calculs politiques de Macky Sall l'opposition aurait dû fermement montrer sa cohérence montrer sa démarche à savoir élection 2019 gagné nous bëri bëgguñu won tal de bi ok euh, malgré que d'accord ñu manière bu élection malgré que nous carte malgré que nga bureau de vote nga pas favorable malgré que nga en fin de compte bon ok ñun bi dinañu mais dinañu opposé wu 2024 de toute façon yow nga ñaari mandat nga am nga mais si depuis que élection yi en février 2019, il est en discussion avec Idriss Il est en discussion avec Idriss le monsieur qui a les 20%. Non seulement mon moule 20%, parce que coalition mais néanmoins, comme mon représente représentait 20%, et que force politique, parce qu'en politique, lan en référence, dañuy en référence sa force politique. Ça veut dire tay, sa parti là, la, a etc. Et donc moi, je suis dans coalition bu a 20% donc poids boobu le le, la Macky Sall jël pour essayer ko utiliser pour ne ko si su ma ko aspirer ce gouvernement bi rek c'est pour ça que li Macky Sall def gagner na Idrissa Seck déjà gagner ko parce que le fait que mu attirer ko dougal ko si gouvernement am rek c' que gagner na Idrissa Seck Idrissa Seck mënul wax dara Idrissa Seck li muy wax fi que damay dem parce que devoir la damay dem parce que dama faté sama bob. Lolou yop ay catch la D'accord? la preuve mu ne euh, dafay né dans les radios que ses représentants l'ol que Boudé, effectivement effectivement dafa trompé prochaine élection et dina ko wone mooy maanaam dina dem dans les prochaines élections moi maanaam dina dem lu fi uti donc ce gouvernement bi dafa ut appui Macky Sall xamuñu sen deal lan la xamuñu lan la ñuy sen bir, biir on a le droit de l'interpréter mom le def mais et puis euh, l'avenir est devant nous dinañu xam exactement sen deal ba fan la dem parce que aujourd'hui toutes les forces de l'opposition qui sont présentes savent très bien que le fait que nous aspirer euh, aider Idrissa Seck dans ce gouvernement-là, c'est une logique politicienne, une logique qui prépare les prochaines élections. C'est pour ça que je dis, les, les hommes politiques, il faut qu'ils soient plus sincères que ça, il faut qu'ils soient cohérents. Et le dernier élément Boum Le la Moi, wax que nous avons ñu lay jël noonu ngay dem di gouvernement parce que pour moi, pour gouvernement programme une entente de programme pour diriger le pays da faut une vision commune pour diriger le pays Et ban vision commune le Idriss Seck avec Macky Sall Si nous avons un programme bi nous devons doxalinam si nous programme am Macky Sall programme avec Macky Sall quand on sait que jusqu'en janvier 2019 elle s'est opposée à Macky Sall ñëw na meeting j'étais assis à côté d'elle à la table euh, et on a débattu il y avait le président Atepa qui était là nous avons débattu mais discours am c'était un discours anti Macky Sall en présentant comme Macky une catastrophe pour le Sénégal donc tu ne peux pas en un mois le rejoindre ko ba par d'accord pour mener sa politique et c'est quelqu'un de clairvoyant parce que ñii nous dem ci gouvernement bi demuñu fa pour askan wi dañu dem pour seen intérêt propre amul dara au plan politique lu leen fa yóbbu dañu dem pour seen intérêt propre gisuma ban ouverture le Macky Sall def ci programme am ci doxalinam vision la preuve Nous, ñëpp dénoncé daan dénoncer le PSE aujourd'hui Macky Sall il a même son son conseiller ministre conseiller du PSE m'a lay appliqué donc Macky Sall deful bon compromis deful bon compromis daf fait un rek So, ñëw ngeen di am di jox gérer entourage point barre loolu bon pouvoir bi ak dañ euh, intérêt propre demuñu fa pour intérêt sama lecture si ce qu'on appelle euh, le remaniement euh, ministériel qui s'est passé au au Sénégal. monsieur li nga wax am il faut toujours privilégier l'échange le dialogue pour en tirer profit le Sénégal le la toll kon nekk euh, monsieur nous ñu constaté ñun que euh, le Sénégal est secoué de tous les sens par des hommes euh, politiques Nous nga maintenu le peuple bi nourrir nourrir un grand espoir mais nous disons, que espoir est transformé au jour le jour en déception, en désespoir, en désillusion, en mépris et même en mécontentement profond. rêve de briser ou wu malchance être malchance Sénégal dirigé par un chef d'État qui se cherche et qui continue toujours à chercher les hommes qu'il faut à la place qu'il faut heure actuelle fi mu toll ci magistèream te euh, nouveau gouvernement bi it ba mu toogee ba tey ñaata remaniement am na ma ne laajte yow ci monsieur di la laaj le nouveau gouvernement est-il un espoir pour des lendemains meilleurs ci Sénégal ou bien une leur waaw Marème ces questions bi euh, euh, daf may amener à une réflexion qui est simple yo so donne opposé au Macky Sall a que quelqu'un qui a fait depuis 2006 je crois ou 2004 je crois ou je sais plus et Idrissa qu'il est dans l'opposition donc on peut dire presque depuis 15 ans depuis 15 ans ou 16 ans opposé à Ouad, opposé à Macky Sall euh, à plusieurs reprises Ça yu ñu juboo dafa envoyer ay nit rek mais mosu fa dem mais yow nga représenté xawma ma ñaata parti politique ngeen def une coalition bu maga maga maga mag ba ñëpp dañu jaxlé won sax ci coalition bobu coalition bobu am ben programme programme bobu dafa nek opposé surtout au programme de Macky Sall même si poste bi ñu ko jox sur le conseil économique social et environnemental dañu avons koy yow élection yoyu nga jël nit yu yépp opposition bi même Sonko ci réunion bi réunion reconnaître président de la république parce de élection après revenir à la raison leen on verra maintenant en 2024. yow ndekete si suuf commencé nga discuter ak Macky Sall depuis 15 mois pour que naka nga koy rallier est-ce que yow def nga doxalin bobu, doxalin bu jaadu la Lolu moy da ngay wax da ngay wax ñu nga ñu àndoon ak yow Lolu amul transparence Lolu c'est malhonnête Lolu c'est un manque de cohérence parce que boo nee da ngay discuter par exemple dañu ne dañuy discuter si liste électorale dañuy discuter si élection yi nous muy c'est une c'est ku nekk da ngay envoyer sa candidat ñu discuter am nous ñu bëggul discuter am nous ñu bëgg discuter mais au moins loolu leer na parti bu que da ngay def tu n'es pas obligé on n'est pas obligé de tous faire la même chose mais yo, nga que le candidat des 20 si si suuf nga discuter avec Macky Sall nga dem ba d'accord ak moom nga contacter ñu nga bëgg contacter ñu la neex ne leen yow daal dégg nga leen d'accord ne que ñoom dañu bëgg a opposer yow da ngay rejoindre Macky Sall mais loolu c'est de la lâcheté loolu ça n'a rien de cohérent Idrissa Seck c'est un lâche lii mu c'est pas du tout correct nit bu correct nit bu civilisé doo def lii c'est pour ça nit yi caractériser ko comme quelqu'un de lâche de traître et pas crédible il est lâche parce que yo n'est que représentant nini pendant 15 mois il n'est pas crédible parce que ce programme bi qui est le programme de pas de parti politique opposé ou à Macky Sall surtout nga dem rejoindre ko sa sur quelle base nga koy rejoindre nga ne donc rejoindre parce qu'il y a le Covid mais le Covid a bon dos est-ce que xam nga que tay Sénégal rentrée d'argent amatul dëkk bu nga xamné ne douane mo lay indil khalis douane moo lay indil khalis moy manam lo jënd ci bitim réew soko ko dugalee da ngay fay douane ñun ñu dara dëkk bi Sénégal jaayul dara ñun dañuy jënd à l'extérieur rek di indi té pour ça suñu balance commerciale est à zéro pratiquement on est mal d'accord donc dëkk bu nga xamné déjà douane rek moo lay enrichir douane bi dafa daan fum la waroon indil xawma am nit ñi ngi wax du indi plus d'un milliard par mois alors que normalement dafa avoir indi 2 à 3 milliards par mois est-ce que vous voyez ce que je veux dire Donc, ce pays-là, il est, il, est, il, est, il est dans la catastrophe. Il est dans la catastrophe. Donc, ça veut dire que Mbey il doxul douane bi doxul luy indi Il est dara de si d'accord et nous sommes aujourd'hui dans quoi koy rejoindre mais l'eau est lan ngay def lan ngay est-ce que c'est la réunification des libéraux parce que Macky Sall est un libéral, Idrissa Seck est un libéral, est-ce qu'aujourd'hui, Idrissa Seck, il a décidé d'aller rejoindre la famille libérale Parce que quelque part, Macky Sall, avec le PDS, Mundara, il a essayé de casser le PDS à tous les niveaux. Depuis 2012, il a essayé d'y faire, s'il gagné dans certains côtés, dans d'autres côtés gagné aussi, puisqu'il y a plein de gens du PDS qui rejoignent. Mais c'est des individus. Le PDS est toujours là. Mon qu'avec Karim, Karim ne rejoindra jamais Macky Sall. Parce que Karim a une vision de diriger le Sénégal, pas avec Macky. de sec. peut-être que dafa génn si idée boobu ne aujourd'hui mun le diriger Sénégal avec Macky mais boo demee ba nga ne léegi mun nga diriger Sénégal avec Macky nga am cette vision boobu est, question ce que yow as changé da ngay wax que tu dama changé man génn na si lu ma nekkoon damay dem Macky Sall parce que je suis un libéral comme Macky Sall et Taïman, il y indi ay thèse libérale ci le gouvernement bi pour dimbaliko que ñu ñu remettre le libéralisme euh, en ordre de marche au Sénégal mais bon, c'est un point de vue politique ce droit-là mais démarche bi def c'est une démarche qui n'est pas cohérente c'est une démarche de lâche parce que da nga da nga war nit ñi c'est aduna du de boy boy une def politique politique kenn du ko de donc Taïman, nous savons que ce pays va mal il va mal on est passé de 7 à 0,7 en on appelle ça en capacité aujourd'hui au plan économique d'accord donc on a une rentrée d'argent une une rentrée fiscale une rentrée fiscale une impôt parce que de bi dara doxul Covid bi si fatigué Sénégal comme nous fatigué de yëpp artisanat bi agriculture, n'en parlons pas, l'élevage, n'en parlons pas. Le Sénégal est dans une situation très difficile. Donc, aujourd'hui, il faut que les jeux soient clairs. Les gens qui s'opposent proposent des orientations. Le gouvernement les prend ou les prend pas. Le gouvernement peut dire je suis prêt à gouverner avec tel ou tel parti soit Bouguignon, nous liguer ensemble. Ça doit se faire dans la transparence. Ça ne doit pas se faire en catimini démocratie du nëbbatu démocratie da ngay ubbeeku loy def yeb dang koy won dañuy discuter clairement wane les choses clairement au Sénégal c'est de la fumisterie la nuit def les politiques sont des fumistes dañuy gisante s'en biir waxtan sen biir tek ce que ñuy wax en général je n'aime pas ce mot là def sen deal ba paré ñew tek ko diko rafetal c'est loolu d'accord ñu si boy waxtaan ak nit da ngay waxtaan ouvertement ne man waxtaan naa Idrissa Seck d'accord nañu si lii si lii si lii mais doo ñëw rek nga ne rejoindre naa ko ndax dafa am Covid loolu da ñu teg da ñu dof c'est loolu laa la bëgg a wax Marème c'est que lii fi am si dëkk bi c'est pas une possibilité de sauver le Sénégal ni quoi que ce soit ce sont des intérêts personnels qui se rejoignent des intérêts personnels parce que tey ah, Karim Wade c'est un libéral mais Macky il sait très bien toutes les négociations qui ont eu lieu, toutes les négociations qu'on peut supposer, parce que nous ne faisons qu'un, nous aboutir. Si nous aboutir, c'est parce que quelque part, Karim Wad n'accepte pas certaines compromissions. Donc, il sait très bien que la famille libérale, Bobo réunifié réunifiée, donc on réunifier avec Karim Wad. Par contre, avec des gens qui quitteront le PDS, comme Oumar Sarr et autres, etc., avec, avec Idriss Seck, tout de suite là, on l'a vu, il va tenter de réunifier les libéraux. Ok, une partie des libéraux. Manmi Delawar, je ne suis pas un libéral. Il va jamais contacter Sonko parce que Sonko, c'est quelqu'un qui n'acceptera jamais de travailler avec Macky Sall. C'est deux visions différentes. Sonko, c'est pas un libéral. Sonko, il défend le programme pour l'essentiel des assises nationales. C'est pas du tout la même démarche. Khalifa, c'est le Loumouidiouf, il défend effectivement euh, euh, le programme des assises nationales. Il ne rejoindra jamais Macky Voilà. Donc, ça veut dire que mon connaissez, mon Dessé, moi, essayez roti, sibir PDS, nan le moun rôti, essayez récupérer Idrissa Seck, il l'a récupéré, mais qu'on vienne pas me dire, est-ce que c'est pas une bonne chose que Idrissa rejoigne le pays parce que le pays va mal et que Idrissa y va en se sacrifiant pour un devoir Mais non, il faut pas, il faut pas nous jërëjëf euh, monsieur Bengeloum waaye aussi tamit xam nga euh, gis nañu nomination lecture bu nekk da ciy am nga ne opposition dafa baax ci euh, dëkk ndaxte régulateur la mais dëkk ci opposé opposé rek aussi tamit est-ce que foofu la ñuy xaar oppo opposition ndax est-ce que tey tamit bu réew bi demee ba tollu fenn mu soxla ay nitam pour ñu ànd liggéey Sénégal bu ki yoree ki teg ki ñu teg ci bopp réew bi bu demee ba xamatul fu mu jëm kon dellu fu mu jóge yi tamit am na solo mu xool ñi nga xamante ne yaakaar na su àndee ak ñoom dinañu yóbbu Sénégal ci beneen niveau parce que actuellement boo xoolee crise bi bi fi am euh, ndax euh, Covid 19 bi taxawal ko ndekam bàyyiwul dëkk yu yu yu yu développé yi kon Sénégal aussi tamit da ciy jot wàllam ba mu mot euh, sëkk kon est-ce que tey jii tamit euh, dugum euh, sa Seck est-ce que tey mënuñu wax ne peut-être que mën na am apport bu nga xamante ne mun na ko jouer ci biir développement Sénégal aussi tamit ñu jéem ko nangu li nga xamante ne avant ne ko avancé na ko comtèse ne dëkk bi moom moo ko ñor loolu moom moo tax mu ñëw ànd ak président Macky pour liggéey réew mi et pourtant am na ñeneen ñu dugg parce que boo ko xoolee ci institution yi nga xamante ne mu ngi nekk ci biir réew mi daanaka def boo xoolee les grands partis yépp ñu ngi ku nekk ñu yàggee ci benn euh, benn ministère wala am na foo xamante ne nekk nga fa vraiment ci institution bi kon li nga xamante ne woon suwee la woon ci assise yi benn point la bu ñu soulever woon vraiment mu nekk un gouvernement élargi ba nga xamante ne euh, gu euh, parti yi fi nekk daanaka yu ci bëri les grands partis dinañu mën a dugg am rôle bu ñuy jouer ci doxalinu euh, réew bi comme ça mu am stabilité Sénégal est-ce que mën nañu nag am bëgg bëgg le beurre et l'argent du beurre monsieur benjeloum dëgg la ndax politique Sénégal am na fu mu toll enjeu politique yi bëri na lool calcul bi bëri na mais est-ce que tamit mu ñu nangul euh, une chose ne euh, euh, Idrissa Seck réussir na un coup de maître fi nga xamante ne seen papa Ablaye Wade bëggoon na ko te jotu ko réussir muy reconstitution famille libérale mais aussi est-ce que moom ak paa bi. umpante nañu est-ce que moom ak Karim Wade umpante nañu ay hypothèse rek moom lañuy dañuy def parce que su mënee nekk en pourparlers pendant quinze mois ak Macky Sall li nga xamante ne peuple bi am na ñu ko njort am na ñu ko njortul woon parce que li fi xew yépp ak li mu wax yépp yàbbi ko sexaat ko doy na waar mais lii mu jël position bi lan moo ko waral lan moo nekk ci suuf wax nga ko mën na nekk orchestré mais est-ce qu'il est le premier à la faire des fois dinañ ne comparaison n'est pas raison mais calcul politique bu bëri mu ngi ci parce que am na ñu ne xoola départu Mimi Touré xoola départu Amadou Ba départu mata Cissé parce que am na si ñu ne moom lu tax nanguwul la am dauphin ci biir APR suñu ëlbatikoo kon mu ëlbatiku di xëccaat famille libéralam est-ce que si ñooñu la gën a am confiance que ñi mu nekkal ci partem bi kon bu ñu nee ne am na ñi nga xamante ne ak Karim Wade xam na ne du ko mën a am est-ce que foofu tamit bi euh, monsieur Bengelloune mënuñu ci dawal euh, tuuti jurisprudence parce que nee nañu ñoom duñu ñu umpante te est-ce Sénégal mën na ànd ak ak valeur ak principe parce que dama ne est les hommes politiques sont responsables de ce qui se passe dans le Sénégal à 100 pour parce que ñan ñoo leen di fal ñan ñooy topp si seen ginnaaw malgré Idr Idrissa bu posé acte bi mais ñi mu àndaloon te ñu nekk opposition dañoo waroon a taxaw dellu nekk biir opposition mais lan la ñuy xalaat automatiquement.

mais ni di ñëwaat tamit toogaat ci touche bi di xaar di xëccu ñu ni tamit ban confiance la ñu mën a am ci ñoom puisque les dañuy changer du jour au lendemain dañuy changer casquette du jour au lendemain mën nañu taxaw dig la mot et merveille mais suñu ñëwee ci euh, ci nguur gi amaat beneen posture donc au finish en qui avoir confiance monsieur Benjelo je ma mané débat bi parce que parce que beaucoup de questions Elles ne sont elles sont pas faciles et man c'est pas évident mon mun répondre parce que d'abord top pour moi la politique sénégalaise vraiment au jour le jour ba di xam les contradictions les plus profondes ba di analyser le, pourquoi du comment de ceci de cela lieu lieu mënuma mako analyser mais dans les grandes lignes le mot, le mot noir, est-ce que Idriss Seck est le seul ou pas le seul à l'avoir fait Moi, je dénonce Nukodef Def Je dénonce Nukodef Def Donc, ce n'est pas parce que Nyan Yuko Def que Idriss Seck doit le faire. Je dis que Idriss Seck est un traître. L'IMOUDEF, ce n'est pas de la cohérence. Et l'IMOUDEF, c'est simplement pour ses intérêts personnels. Man, je suis prêt à débattre là-dessus. Démarche bien, Amoud démarche programmatique benn démarche sincère Je nga ne avec Macky Sall mhm. parce que libéralisme je veux diriger sur cette base kooku su ko waroon def renier son programme où il a eu les 20%. unification de tous ces hommes politiques sur la base de ce programme là moi je vais montrer que il a renié ce programme là daf et que donc il rejoint Macky Sall sur d'autres bases donc soo wàccee ce programme nga rejoindre Macky Sall sur d'autres bases c'est ton droit mais tu te renies. Donc, bobo-bobo qu'on ne me parle pas d'intérêt du peuple, mais qu'on me parle d'intérêt personnel. Alors, tu me dis, euh, euh, euh, est-ce que Nyom Réunion Noir Non, mais non. Tout le monde a vu les négociations de Watt en 2019 avant les élections. Son voyage en Guinée, aller-retour week-end, Khamoul, qu'est-ce que ça a apporté ou pas Et on sait que le PDS a affaibli l'opposition en ne participant pas aux élections et en ne donnant pas de consigne de vote, de fait, de fait, de fait, le PDS a amoindri l'opposition. Et, Abdoulaye Wade a joué un jeu très trouble sur cette question-là. Pourquoi Je ne sais pas. L'histoire nous donnera. Mais de fait, de fait, tu as raison. Le, PDS a affaibli l'opposition. C'est pour ça que le PDS ne l'ouvre pas trop. Parce qu'ils savent très bien que nous, on n'est pas des idiots. On sait que la famille libérale est divisée. Et on sait que la famille libérale veut se reconstituer sur le dos du peuple. Moi, je ne suis pas un libéral. Hein. Le moment venu, s'il faut s'opposer aux libéraux, t'inquiète pas, tu me verras. Parce qu'il y a eu moi, je ne suis pas un libéral du tout. Moi, je ne suis pas pour un régime présidentialiste. Tous les libéraux sont pour un régime présidentialiste. Moi, je suis pour donner plus de pouvoir à l'Assemblée nationale. Moi, je suis pour un développement sur la base du solaire. Je suis un développement sur aujourd'hui euh, euh, euh, la question de la justice, l'indépendance de la justice. Je suis pour qu'on clarifie tous ces voleurs-là, qu'on les arrête. Or, on sait très bien que chez les libéraux, il y a eu, il y eu un vol manifeste de l'État de, au travers de leur pouvoir. C'est des gens qui se sont enrichis de façon malhonnête. Et Macky Sall l'a continué. Ça, ce sont les libéraux qui l'ont emmené dans ce pays-là. Mais pour l'instant, moi, mon axe, ce n'est pas de combattre les libéraux. Tant que les libéraux, une partie des libéraux se situera dans l'opposition, je marche avec eux. Parce que mon objectif aujourd'hui, c'est quoi C'est trouver toujours une démarche de consensus avec les gens qui combattent Macky Sall. man Macky Sall proposer man individuellement parce que je sais que des gens qui ont rejoint Macky Sall individuellement pour travailler avec lui en sont revenus boo xoolee Sall lire le livre, tu te rends compte, ce gars-là, il a été de, ministère en ministère, le Moubougon résout yep, Macky l'a coincé, et quand il l'emmerdait Macky Sall, Macky Sall ou elle était aussi bien ministère, quelquefois même, les agents de son propre ministère, d'un côté, nebel dossier, des réunion des ministres, mu gis que Macky Sall a tranché, alors que mon moko va signé. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de damay andar Sall et je vais travailler pour mes idées ça n'existe pas Macky Sall le le c'est pour faire ce que tu dois faire pour lui si tu le fais pas tu vas dégager il faut que mouler l'air si bon pour donc aujourd'hui euh, est un pion de Macky Sall Là, la ñu j'en sais rien mais c'est un pion de Macky Sall la preuve décret le décrète nommé décret le dégagé. et vous verrez donc ne venez pas me dire qui a un, programme entre eux. Dagagno, tu fais ce que Macky Sall te demande de faire, tu utilises l'appareil d'État pour avoir de l'argent, pour pouvoir faire ta politique, parce que malheureusement au Sénégal, on fait de l'argent en volant, on fait de la politique en volant l'argent de l'État. Ces gens-là volent l'argent de l'État pour donner à leurs militants, pour donner à leur entourage, pour utiliser euh, cet argent-là pour les frais de leur parti et tout ça. C'est ça qui n'est pas clair au Sénégal. Donc c'est ça le problème. Et ça, les libéraux ont fait beaucoup de mal au Sénégal là-dessus, tous les gouvernements d'ailleurs, même avant Ouad. Donc aujourd'hui, moi je te dis, Ouad, en 2019, il a eu une attitude pas claire du tout, mais ce n'est pas l'objectif. Aujourd'hui, l'objet du débat, ce n'est pas de nous dire tout le monde l'a fait. Je pense que Marem, là, tu as faux. Tu as tout faux. La question, ce n'est pas de dire qui a fait, qui n'a pas fait. La question centrale aujourd'hui, sur le débat, la question que tu m'as posée, c'est ce remaniement ministériel. Il profite à qui Il profite à Macky Sall est-ce que, est que euh, Idriss est parti sur des bases juste correctes Je t'ai dit non, c'est un traître et en même temps, c'est quelqu'un qui n'est pas cohérent par rapport à sa ligne politique, d'accord Et il n'a pas du tout été correct avec les gens qui ont été avec lui. C'est ça le débat. Le débat, c'est pas est-ce qu'il y en a eu d'autres. Yodjele et Sal, c'est pareil. Tatal amoul ben programme, faut un Macky D'accord Soit c'est du communautarisme, D'accord Ils ont voulu récupérer une partie de Podor, le fait aussi qu'elle soit Alpoulard, etc. Il y a une partie communautariste qui se joue à l'intérieur, bon, même si c'est secondaire, mais il y a ça, et en même temps le fait qu'elle y est allée pour des intérêts personnels. Al Talsal avait son, son programme de marche, il fallait absolument dans son CV qu'elle soit ministre. Elle voulait être ministre, donc c'est des intérêts personnels. Donc moi, ce n'est pas ça qui, qui m'intéresse. Quelqu'un qui va au pouvoir qui va rejoindre Macky Sall, c'est pour des intérêts personnels, ça ne m'intéresse pas. Aujourd'hui, Macky Sall, tout oh, le pour la diaspora, le parce que ça ne m'intéresse pas. Parce que je sais s'il n'est pas d'accord, il me dégager. Je n'ai pas les mains libres et je ne peux pas travailler dans un environnement où je dois être solidaire des autres, sachant que d'accord ou Parce que c'est vrai que si dans un gouvernement, tu dois être solidaire. C'est là qu'on attend, il dit. Les combats démocratiques qui vont se faire avec l'opposition, on va l'attendre. Et il sera obligé de soutenir le pouvoir répressif de Macky Sall. C'est en ce sens-là que je dis, c'est un traître. Parce qu'il va combattre les gens qui seront dans la rue et, et, qu'il avait porté. Il dit, c'est que c'était rien du tout, c'était même pas 1%. C'était rien du tout au moment où les gens l'ont mis dans la coalition pour Andarmom. Il était rien du tout. Ils ont pris quelqu'un qui est parti de 0 à 20%, Mouarlende. Donc c'est un traître. D'accord Donc tu me dis, est-ce que euh, les autres dans l'opposition attendent le partage du gâteau Tu as tout faux, Marem. Tu as tout faux. L'opposition n'a pas de vide. Les gens quittent l'opposition, c'est leur affaire, mais il n'y a pas de vide. Aujourd'hui, je t'ai montré, il y a Sonko qui est toujours là et qui va gagner une partie des voix. Il y a Khalifa qui est toujours là et qui va gagner une partie des voix des gens des Réunis qui ne sont pas d'accord. Tous les gens qui iront rejoindre le camp de Macky Sall, tous les gens ne suivront pas, leur base ne suivra pas. Et de toute façon, le baromètre, c'est quoi C'est les prochaines élections. On verra aux prochaines élections, si qu'elles soient locales, législatives ou couplées ou j'en sais rien, on verra est-ce que le peuple a approuvé effectivement la démarche d'Idriss Seck et de, tous ces gens-là qui ont rejoint euh, Macky Sall Donc, euh, Marem, je ne suis pas d'accord avec toi. Tu as l'air de dire qu'il y a un vide dans l'opposition et que tout le monde attend pour négocier, pour aller voir Macky Sall. Ça, c'est ta vision, ce n'est pas du tout la mienne. Je pense qu'aujourd'hui, il y a des traîtres, il y a des gens qui ont mis leur intérêt personnel par rapport à l'intérêt du peuple, qui ont rejoint, c'est leur affaire. Aujourd'hui, je t'ai démontré euh, euh, la douane fait à peine 1 milliard de recettes par jour alors que normalement la recette est de 2 à 3 milliards par jour. Je t'ai montré qu'on n'a que ça comme rentrée d'argent. C'est un pays qui ne vend rien, on ne vend rien du tout, on ne profite pas de nos ressources. Je t'ai démontré que les recettes sont, au plus bas, que ça ne peut pas continuer. Je t'ai démontré que l'artisanat ne fonctionne pas, il n'y a rien qui se fait, les boîtes se ferment tous les jours, les gens ne s'en sortent pas. Je t'ai démontré qu'aujourd'hui, avec 480 morts la semaine dernière, d'ailleurs Marie et toutes les familles, on aurait dû commencer par ça, mais comme c'est le deuxième point, on, va y arriver. D'accord Donc 480 morts de gens qui pensent qu'aujourd'hui, ils peuvent plus s'en sortir au Sénégal. D'accord Je salue leur mémoire et euh, Marie Dial et toute leur famille. D'accord Vous avez aujourd'hui une économie qui est à plat. On passe euh, avec un taux de croissance de 7% à 0,7%. Donc voilà la situation du Sénégal. Voilà la situation réelle du Sénégal. Ceux qui pensent qu'ils vont aller partager le gâteau, ils n'ont qu'à y aller. Mais le peuple va se révolter. Hein ça ne restera pas comme ça à un moment donné ou à un autre, le peuple va se révolter. Ce n'est pas une question de est-ce qu'on a aujourd'hui des éléments euh, pacificateurs dans ce pays, euh, qu'ils soient d'ordre religieux ou autre. À un moment donné ou à un autre, les gens se soulèveront parce que ce pays est arrivé à un niveau où ça ne va plus. Ce ne sont plus les, les alliances politiques qui arrêteront quoi que ce soit. Voilà. Donc c'est ça que je voulais te dire je ne suis pas d'accord avec toi sur plusieurs points. Je pense que je l'ai bien clarifié. La problématique n'est pas est-ce que d'autres vont rejoindre. La problématique, c'est pas est-ce que euh, Idriss Sekreg Fidef La problématique, c'est pas euh, est-ce qu'aujourd'hui l'opposition, tout le monde attend à rejoindre Macky Sur toutes ces questions, Marem, je ne suis pas d'accord et je pense que j'ai assez argumenté. Alors, alors, il y a un aspect sur lequel je n'ai pas répondu, c'est sur la question euh, de la réunification euh, des libéraux. Mais ça, c'est à la limite, Man, je te dis, Marem, c'est le cadet de mes soucis, hein, ce n'est pas mon problème. Je ne suis pas un libéral. Alors, est-ce que euh, Maki a réussi euh, ce, que, ce Wad n'a pas réussi Est-ce que euh, notre traite d'Idriss Seck l'a réussi ou pas Ce n'est pas mon problème. Moi, ce que je suis en train de dire seulement, je pense qu'aujourd'hui, Karim Wad ne va jamais s'allier avec Macky Sall. Moi, je pense fermement, ils n'ont pas la même manière de penser, ils n'ont pas la même manière de faire, ce n'est pas du tout la même, démarche. C'est deux visions différentes, je peux me tromper, mais je pense objectivement, dans la situation où nous sommes, il y a deux camps qui vont s'opposer à mort. Euh, à la limite, si, si Wad n'avait pas un fils qui s'appelle Karim Wad, était tout seul, peut-être que Wad, euh, dans son pragmatisme politique, aurait rejoint Maki ou j'en sais rien. Mais euh, aujourd'hui, je pense que l'élément qui va toujours opposer Wad à Maki, ce sera Karim Wad. Et que je pense que Karim Wad est dans une posture de s'opposer à Macky Sall. Mais comme moi, je n'ai pas l'habitude de parler pour les gens, le jour où euh, Karim me dira quel est son programme et qu'est-ce qu'il veut faire pour le Sénégal, eh ben, je lui dirai ce que j'en pense. Pour l'instant, il ne dit rien du tout. On ne l'entend pas. Les gens parlent pour lui. Donc moi, à la limite, euh, j'ai je n'ai pas besoin de délégation pour, pour écouter quelqu'un. Le jour où il me dira ce qu'il veut faire, quel est son programme, ben, on en parlera. Mais je pense qu'aujourd'hui, euh, c'est quelqu'un qui ne rejoindra jamais Maki et que euh, Watt même, aurait-il été tenté de rejoindre Maki, ne le fera pas. Et toutes ces négociations qui ont capoté euh, me, renforcent dans l'idée que jamais, jamais ça pourra se faire. Parce que si ça devait se faire, il y a eu plusieurs occasions pour que ça se fasse et ça ne s'est pas fait. Et ensuite, comme je te l'avais dit, je pense que le PDS n'a pas du tout été clair en 2019 il a affaibli l'opposition en, en, ne donnant euh, euh, aucune, consigne de vote. Et, en même temps, en ne participant pas aux élections, ça a été un vide et je pense qu'effectivement, ça ne sert pas le PDS que de ne pas participer aux élections parce que euh, chaque fois que tu ne participes pas aux élections, c'est toi qui perds parce que c'est des moments de démocratie qu'il faut vivre même si c'est difficile, même si tu n'es pas au pouvoir, euh, le pouvoir en face euh, manipule tout ça, il faut quand même y participer et que l'expérience a montré que chaque fois que tu boycottes les élections, c'est toi qui perds. jërëjëf euh, monsieur Bengeloum may dellu si waat rek euh, di wax ne xëy na aussi tamit Idrissa Seck la ñu gis mais accord Guinée Conakry Guinée Conakry Alpha Condé bu mu dajanteeg ak eh, Ablaye Wade lan la fa faire parce que retouram dafa taxaw ne mom bokul ci élection yi du ci participer wa léegi ñak participation est-ce que frayewul chemin faciliter président Macky Sall mu accéder ci pouvoir bi loolu yi tamit mën na fi ne ce c'est pas seulement Idrissa Seck lañu naan dëkk bi ñoru ko waaye yit tamit paa bi su ko dëkk bi ñoree yit tamit des na moom it lu ko ñor est-ce que du doomam rek euh, ñoru ko mais aussi tamit euh, ñu bàyyi xel ne Macky Sall président Macky Sall xam naa ni yit tamit ñu ngi ci yoon nañu xaar conseil ministériel bu nekk ñu dégg ay nomination yu dul jeex est-ce que lii rek lañ la yem ci nombre PDS wala aussi tamit dinañu am d'autres surprises yi nga xamanteni dinañu gëna a gis euh, euh, famille libérale bi ci biir gouvernement bi qu'est-ce qu'il prépare question la yu am pour solo le temps de questions qu'on se pose et actuellement et qui n'a pas de réponse jërëjëf monsieur Bengelloune Je rek euh, ñu nous a dugg ci deuxième point bi ndaxte avant gouvernement actuel bi remaniement bi fekkoon Sénégal nekk ak ay problème yu dul jeex te bi koy firndeel tey muy perte humaine yi ñuy am par rapport à la jeunesse si immigration clandestine ma lay laaj état ban politique euh, structurelle la war a

aar leen comme que c'est le devoir de de l'État est-ce que y tamit du gën a jëriñ suñu réew du gën jëriñ askan wi est-ce que du gën a motiver xale yi ñu toog ci seen dëkk mën faa liggéey màgg fa tekkee fa fa seeni projet jë jërëjëf Marème ci question bi vraiment euh, rafetlu le nago complètement parce que question bi question bu metti le quoi n'y ñi pas si diaspora bi dañ koy vivre ça nous fait vraiment mal au cœur que souvent nous toog fii de télévision tout yi nous ñuy won quoi ce nous, famille nous suñu nous membre de de de de africains de tous bords qu'ils soient sénégalais Ivoiriens, Maliens, tout ce que tu veux hein. d'idées mbedd si dans les déserts et tout pour rejoindre effectivement l'Europe nous leen di parquer comme des animaux etc., etc. Dit, mais vraiment, ils mettent sur une Vous ne pouvez pas savoir comme ça nous fait mal. À la fin, même, ils couper la télévision parce que je ne veux plus écouter les infos. Beaucoup tout me dégueulent tellement ça me, ça me fait mal. Alors, c'est toujours la même question. C'est-à-dire que la def pour que Neti Toksien Mais, mais, marem, l'autre nuit sur nous Mais, coucou, on n'arrête pas de le dire. sur

ñu am ay masseurs ñu ngi dem di jaay tous les jours parce pour s'en sortir wala lu ñu gis rek jaay jaay ndox jaay n'importe quoi ils essayent de s'en sortir da ngay gis ku nga xam ne dafay jaay yamba au pays et tout et cetera bu ko famille bi dimbalee ba mu fi Europe dafay ne ils nga gis waa ji am liggéeyam wala mu am fu muy jàppandu rek il est redevenu normal donc tu te rends compte que l'essentiel de nit dem nit nga dañuy uti ailleurs seen euh, seen askan daal parce que dëkk bi mayuñu ko man mii di wax ak yéen quand j'ai fini mes études wàcce naa Sénégal pour toog liggéey fa toog naa fa un an aw ma fa liggéey aw ma fa liggéey ma xam ne Europe soxla nañ ma dinañ ma jox liggéey lu tax may toog Sénégal parce que du ma nekkuma doomu ministre aw ma famille bu may dimbali aw ma dara dama fa war a toog cent ans du ma fa toog damay dem uti sama famille feneen damay dem ça sama àdduna feneen donc ni ku nekk à l'Europe wala Amérique wala foo bëgg a bitum réew sénégalais diaspora dañu dem pour nous ñun demuñu pour def du tourisme sénégalais di nga gis mu ñëw fii dina fi toog dix ans du dem sax seeti Tour Eiffel yoonam nekku ci mi ngi essayer vivre si communauté bi ñu ngi essayer d'être solidaire donc tey qui gisee dëkk mu nga xam ne artisanat bi nit ñi ils ont leur petite société à une ou deux personnes ils représentent combien entre 1 million 1 million 500 000 de personnes ñoom bu ñu jugul seen bopp jàppale seen bopp amuñu liggéey kat moo leen di jox liggéey donc ñooñu ak mbas bi avec le Covid qui a amplifié crise yu monde, parce que Covid dafa ñëw amplifier ay crise yu fu du Covid moo indi lii Covid Covid bi c'est un facteur aggravant facteur bu nga xam ne dafa yokku rek mais dëkk bi doxul woon bu baax ba ñu nga xam Covid bi ñëw rek ñu non dafa am moon ay problème yu ndaxawoon fii Covid bi ñëw amplifier ko pêche bi doxul ñëpp gis nañu chinois yi ñuy ñëwee espagnol yi nu ñuy ñëwee et cetera turquie yi ñëw jël suñu jën tout le monde sait que pêcheurs ils ont d'énormes problèmes aujourd'hui pêcheur bu nga xam ne yow yaa doon pêcher di jaay amoto yow da ngay def ay tu vas être un passeur pour yo nit dans des situations compliquées la la la question tey ben pêcheur daan yore barque et tout tey nit ñi bu ñu wàccee seen jën dafay ñaanaatu ñu may ko jën bu muy mun dimbali famille donc, bougez ni qui c'est l'ol, le métier de la pêche, ça ne va pas, c'est pas pour eux, parce que ni qui mom qui donne pêcher am tout, aujourd'hui, il en est réduit à dignan jeune bu nit bu bateau yi pour pour mun euh, pour mun démolir wajuram ni. Donc ñom dañuy né li du du du yoon dem dem nek pêcheur c'est pas une bonne voie, vaut mieux ma outil leneen. Entreprise yi ñi ngi leen di tëj bës bu nekk élevage bi. Lan lañu def ci élevage bi? lan la def ci agriculture bi non gouvernement bi dafa nekk dans une situation très très difficile fu nga xam ne jeunesse bi gëmatu ko jeunesse bi gëmatul benn politique de ce gouvernement là donc amul lu muy téye nit ñi au pays soo leen joxul liggéey Marème nañ bàyyi di réfléchir noonu rek liggéey bu amul ci dëkk bi nit ñi dañ fiy jóge wala buñ fi jógewul dañuy soulever wu parce que affaire bi dafa des bords au Sénégal tey par exemple il dit bii nga may wax bu dem rejoindre Macky Sall ban impact le conseil économique social et environnemental ban impact la population yi lan lay changé warma. a changé wax mais tous mais du changé dara tey a bëggee suñu population yi population. suñu dëkk am nañ ko Sénégal am na richesse Sénégal am na richesse muy pétrole muy gaz muy naaj muy lithium muy or muy mine yi minerai de fer yi loolu yëpp bugguma la ko liimal fii su ma la ko liimalee dañ fi kooku beneen émission la mais loolu yëpp am nañ ko xam nga dañuy wax dafa am ay ministères yu important ministère de l'Intérieur, ministère des Affaires étrangères, ministère de l'Éducation nationale, patati patata. Il y a des ministères, il y a un ministère important. Mais tu vas voir normalement le ministère du pétrole, le ministère des énergies. Ça doit être un ministère important parce que bientôt, si nous richesse, il faut les garer. Parce que le gouvernement, il n'y a avant, soit il y a une richesse, soit il y a une richesse, soit il y a une et ils ont tort soit de njaay dañ ko jaay si souf, am ci sen khalis c'est askan wi gisul gisul donc je veux te dire par là le Sénégal est un pays qui a d'énormes potentialités au plan des ressources naturelles Bouyouko pour l'intérêt du peuple de nous donc je veux te dire par là entreprise yop di et tout etc. cetera def Aujourd'hui, nous sommes entre 1 million et 1 million 500 000 des gens qui travaillent dans l'artisanat. Mais nous, nous, nous établissons nous dimbali. Nous avons des artisans. nous avons 1 500 francs CFA par jour. Parce que, si c'est Europe, nous, nous, nous, l'État nous donne 80% de notre salaire. 80% de notre salaire à 85%. L'État nous pour que nous toquions sur nous. Nous devons télétravail ou nous toxons sur nous pour que la nous puisse combattre, euh, gagner quoi Mais il y a des sociétés qui est là. Nous avons pour cette famille. Si nous avons 1500 francs CFA par jour, il y a à peu près entre 1 million et 1 million 500 000 artisans. sonné par mois, combien ça revient à l'État Moi, 75 milliards 75 milliards pour les artisans par mois je suis bijoutier, un je suis tailleur, un je suis pêcheur, un je suis li, là, je suis l'industrie métallique, euh, la menuiserie métallique, nous, avons nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, 1500 francs par jour. Ça lui donne 50 000 francs par mois. Mais déjà, l'ol, ne l'en dimbali. Bolen dimbali vous multiplié sur 6 mois. Nenelen pendant 6 mois. Moi, en tant qu'État sénégalais 75 milliards sur six mois je 450 450 milliards pour soutenir ma artisanat pour soutenir les gens qui sont dans l'artisanat lolo action bou claire le le coule c'est ils sont ils ñan la directement 50 000 francs par mois eh bien effectivement di soutenir ces entreprises là du tête soutenir père de famille pour que nous démolissions une famille dimbali ñu famille pendant cette période difficile mais loolu est politique c'est économie soko vous pouvez soutenir France fille, dañ koy soutenir mais Macron dafa génné xaliss Sénégal ban xaliss le génné mu ko dem jox le frère de Marem Sal. frère bobu bëggul sax joxé clarté nu ko défé xaliss bi c'est-à-dire que ici dëkk bi on a une démocratie vous nga Macky Sall il a droit de vie et de mort si ñëpp si da ngay sénégalais ici émission yi Macky Sall Macky Sall la élu pour mu def ko suis que suñu mais Macky Sall du Macky Sall dañ ko pour que mu transparent alalu askan bi amul droit defee ko suis ko daf ñuy expliquer démocratie da expliquer Dès yu mag yëpp bu ñu grande réunion internationale di décider seen affaire yi dañuy expliquer sen dëkk dañuy expliquer sen journalistes yi lan lañu def lan lañ fa wax mais ñun Macky Sall duñu expliquer dara du wax dara ñun ñoy dem outil information yi du joxe ben information Macky Sall dafa tek bopam moñu mom un président de la République nga xamné tu n'as pas de compte à rendre tu n'expliques pas ta démarche tu ne dis rien soo defee remaniement do wax ken dara il y a des CDD, il y a des flics, c'est tout parce que a une constitution mais c'est une drôle de façon de penser de la démocratie donc pour te dire que il faut que nous xam lui arrêter mouvement de la jeunesse de toutes les personnes pour gagner des bi des questions. économiques question économique règle outil ligué règle d'où tourisme nous bu doon leneen ñu xam ko mais outil liguey rek la yaa que chez les ministres là ngay gis ñom sen doom wara juddu sen jaba wasin wara a wasin ñu len di yobbu bitim rew pour que ñu am benen nationalité ñom ñoom faalewuma len sax bokku ñu sama wax mais en dehors de ñoñu le peuple nit ñu nga xamné dañuy outil sen pain gagner sen pain ailleurs parce que au Sénégal mënuñu ko am parce que amu fa liguey Macky nous avait promis 150 000 emplois par an, 500 000 emplois en 5 ans. Des catch. À il raconte n'importe quoi. Man, warna quoi Emploi, amoul au Sénégal, dara amoufa. Donc comment voulez-vous garder la jeunesse En plus de ça, on donne les programmes de jeunesse à des gens qui n'ont jamais travaillé dans leur vie. Tamsir nous sommes responsable pour trouver des, emplois aux jeunes et tout ça. Moussoul Ligue dans sa vie. France Le Duguet je le connais très bien, c'est un ami. Et ça n'empêche qu'on ait un langage de vérité. Moussoul il n'a fait que de la politique ici, en plus de la politique bas niveau. Parce qu'il n'a jamais donné des idées. Il est toujours dans la, force physique. mais euh, au plan des idées ben cest à la question aujourd'hui de ce gouvernement-là c'est qu'il est entouré de gens incapables de gens qui ne sont pas à leur place qui n'ont aucune idée et qui ne savent pas diriger voilà, c'est tout ce que je pouvais te dire sur la problématique de l'immigration. Encore une fois, Marie et les Et je pense que Tay, il faut que les jeunes sachent, les c'est une destinée en main. Il faut qu'ils arrêtent d'y suivre politique, les politiciens là, hein, qu'ils soient libéraux, de gauche, tout ce que tu veux. Ils ne sont pas sincères. Ils sont là que pour leur intérêt propre. Nous réfléchir, Boubarkan, nous soutenir, et puis nous ne si mettre de vie. Nous ne si mettre de billes. Nous ne si mettre de vie. opposez-vous. Parce que la démocratie aussi, c'est l'opposition à tout ce qui se passe, surtout quand ta vie en dépend. La vie de ta famille, la vie de tes enfants, n'est opposée où Vous nous opposez, on va voir si les choses changent. Et quand les élections arrivent, ne vous trompez pas. Qu'on n'achète pas vos voix pour 5000 francs CFA, pour qu'après pendant deux, deux, deux mandats de, de, 5 ans, pendant 10 ans, être dans, dans la situation de mendiant ou bien d'assister il faut qu'on sorte de l'assistanat. Il faut que les gens se prennent en main. tant que Lolo amoul, et dem en avant, parce qu'on a des politiciens qui ont toujours cru, qui nous ont toujours fait croire, de nous bi gouvernement la plupart des gens que tu vois qui font de la politique c'est des gens derrière qui n'ont pas de travail qui n'ont rien mais qui récupèrent de l'argent de ces gens-là qui sont au pouvoir et qui font le travail de mobilisation en longueur de journée oui va-elle qui votel qui votel qui sur des bases parce que Manglay Dara s'y souffre. Voilà. gars qui d'aller rejoindre Makissal parce que soi-disant son parti l'a dit, euh, c'est démocratique. Pas de démocratie. Moi, il dépense la plupart des gens de son parti, oui. Il les, a en main. Donc, il n'y a pas de démocratie dans ce parti-là. Il faut être sérieux. jërëjëf Marem, si deuxième question bi euh, deuxième question. On a continué continuer di l'émission émission langue euh, monsieur Ababacar euh, Bengeloum ci ñetti po yi nga xamante ne waxoon nañ ko ca départ ba ñuy wax rek ne képp ku bëgg a suivre émission bi ñu ngi lay ñaan nga dem YouTube télécharger rajo Sunuker FM par Play Store ou App Store ku ci bëgg yi tamit am ay information ci parti bi daf ki nga xamante ne dafa nekk en en voie de construction ci njiital président Abdoulaye fal ñu ngi lay ñaan nga woote ci bii numéro muy 77 533 39 00 muy parti bi nga xamante ne ci fànn yépp lay yëngu ci wàllum mbay éducation ak yeneen ak yeneen i fànn nga xamante ne dañuy tendre la main aux patriotes de ce pays ñi nga xamante ne Sénégal a leen ñor ñi nga xamante ne askan bee leen ñor ñi nga xamante ne dañuy dox ci principe ak valeur nga xamante ne bu teyee bu ñu waxee seen waxu tey mooy doon seen waxu suba nekk Baay Fallu askan wi ndaxte ni réew pour lu koy doxal ñu dëkk ci réew ma ñooy am volonté politique doxal ko bàyyi intérêt personnel yi jël intérêt général teg ko ci kon nag bu ñuy joxañ tuuma baaraam yenn doxalin yi ak ñenn ñi nga xamante ne tey xëy na yàlla teg na leen fi ay la yëwan ñu ni tamit bu ñu ñëwee nañu moytu ba duñu nekk ci yooyu posture dëgg na ko lal doylu na ko lal maanu da ko lal suñuy ànd ñu ànd ànd ngor ak naw la ba nga xamante ne bu ëllëgee duñu sëgg di rus duñu dajeek nit di sëgg kon nag ñu ngi leen di tàllal loxo képp ku ci bëgg renseignement rek ñu ngi lay wax nga woote ci boobu numéro ah, jërëjëf monsieur Bengelloune nga wax lu am solo mooy am na loo xamante ne dañ ci war a jóg changement de comportement changement de mentalité pour ñi nga xamante ne buñ leen dénk leen suñu destin

munoo ko wax lu koy téye ba du dem à l'aventure wuuti ji lu indi jox njabootam jox ses parents parce que Sénégal xam nañ c'est la famille c'est la famille large au vrai sens du terme mais aussi tamit nga wax ci si exposé ne manque de volonté politique da cee parce que déjà di nga gis ay intérêt crypto personnel duñu hésiter liquider benn société liquider bien entreprise rien que pour des commissions parce que le problème le plus latent est là nañ ko Il poté Sénélec am ay problème Il wut solution un problème de marché à qui kii ka qui marché gagné di doomu du ay doomu ah, d'après les analyses de certains ay doomu Riumi n'est nekk ci gouvernement diaboliser contrat Bob, ba ñu ne dañuy nekk di annuler contrat bobu ba mu dem nekk ci yoon ARP ba mu kiiwee sax moom jox na dëgg Akile ne wax fa dëgg yàlla contrat bi dafa conforme au nombre au au norme de droit commun léegi ñi jël ko xañ ko doomi réew mi jox ko au profit des étrangers ñi nga xamante ni benjelum bu ñu liggéeyee ci dëkk bi fan lañ koy yóbbu si seen dëkk lañuy dem investir waa léegi fan la Sénégal jëm te départ bi président Macky lu mu waxoon suffis autosuffisance dinañ ko am ci électricité te coût dina wàññeeku ba nga xamante ni ménager yi dinañ ko yëg courant dootul cher mais gis nañ ba tey milliers yoo xamante ne c'est pas fié ñu dem ba ci courant yi ku bi gën a yokku ndaxte day ah covid bi la ñu mais après covid bi qu'est-ce que ça va euh, donner yow ban jàngat nga am ci par rapport ressource énergétique boobu bi nga xamante ne Senelec mu ngi ci nekk te am ci problème bu dul jeex ak contrat ak boobu ban jàngat nga ci am ndax moom contrat bi des ci loxo Akilee moo gën a nekk au profit du peuple que mu dugg ci loxo iranien yi nga xamante ne nee nañu ñoom coût bu ñu jël moo gën a cher que sax li Akilee indi bëggoon nañ daal nga am tuuti loo ñu éclairer suñu lanterne yi parce que nee nga Sénégal am na potentiel en ressource minière bi nga xamante ne wax fa dëgg yàlla bu amoon une bonne politique jeunes yi mënoon nañ ko exploiter de telle sorte que jeunes yi dinañ gis seen bopp mën di créer ay emploi ba xale yi des si dëkk bi. waaw Marème donc euh, ñu atteindre suñu suñu exposé maintenant sur la question de de l'énergie euh, xam nga man j'ai toujours dit pour mus ci gis ma wax j'ai toujours dit que sans énergie ben de que l'énergie est à la base de tout il est au départ de toute action de développement hôpital du énergie école du énergie euh, euh énergie euh, euh, société du énergie dara du énergie c'est pour ça que énergie kenn du la ko jàngal nu koy amee yaa koy defaral sa bopp ñun dafa def ñun en Afrique on est parmi les pays les mieux placés pour récupérer énergie bu nga xam ne ñëpp dañ ko soxla énergie solaire énergie nucléaire dañ koy teg de côté parce que nous, on n'est pas capable de le faire vu la dangerosité de la gestion effectivement du type de centrale nucléaire. Deuxièmement, à les, les, de matières, l'uranium qui nous permettent de les faire fonctionner. Donc les pays qui les ont, c'est le Niger, c'est euh, euh, l'Afrique du Sud, c'est la Namibie, des, pays comme ça qui peuvent se le permettre. D'ailleurs, ils tentent, même la Somalie, je crois, tente des centrales nucléaires dans cette direction-là, parce que de nous am, l'uranium, et en plus de ça, c'est dangereux donc nucléaire il il reste que l'énergie solaire énergie solaire nous ñun ñoo gën placé sax que de toujours confondre ensoleillement et et et le fait d'avoir de l'énergie solaire ensoleillement moi, de quoi bu nga fait, de chaleur et ensoleillement c'est-à-dire que le lever du soleil ils se lèvent plus tôt chez nous et il se couche plus tard. Donc, tant de, de, lever et de coucher du soleil, mon important mon ensoleillement ensoleillement nous up, nari. par contre nari up tangai parce que le soleil tape plus chez eux mais tangai bobou, d'accord Défaut n'est que ñun capacité de pouvoir utiliser l'énergie solaire et pourtant nous avons ñu développer mouille le Maroc, mouille l'Algérie, mouille euh, l'Arabie saoudite, euh, mouille euh, la Libye, mouille tous ces pays-là développent l'énergie solaire. Sénégal rek que développer Donc à partir de là, je dis et je l'ai toujours expliqué c'est que sans énergie solaire, sans l'énergie tout court, on ne développera pas le Sénégal. Or, beaucoup le Sénégal, la manière de faire de l'électricité, moi li wax courant au Sénégal parce que souvent y ñi dañuy wax énergie courant donc la manière d'avoir du courant c'est la manière la plus mauvaise on utilise des centrales qui fonctionnent avec le fossile avec le diesel donc ça veut dire bah, là que ces centrales du produit électricité il faut encore des des des du fossile donc comme on sait que le pétrole il il a des hauts et des bas donc ça veut dire que nécessairement ton, électricité sera chère. Or, un pays ne se développe pas avec une électricité, une énergie qui est chère et en plus qui n'est pas en abondance. Donc, on a démontré que Sénélec, électricité. durait comme électricité doyul la preuve même les sociétés comme Aïsokosim, etc. etc., etc., et propre lieu pour défaire seen propre courant Vous nous defaree propre courant que koy utiliser pour une usine et après dañuy jaayaat lu ci des Sénégal dañ koy jaay Sénélec parce que Sénégal ken mënul jaay électricité Sénélec rek kay jaay donc yow soo defaree électricité da nga koy jaay Sénélec Sénélec jaay ko Sénégalais donc aujourd'hui amuñu courant bu doy et en même temps nu koy amé baxul donc Macky Sall de 2012 ba 2017 defu fi dara sur la question électrique pour l'essentiel c'est les plans du PDS en 2011 avec les catastrophes à ñu avons coupure le temps que nous mettre en place en 2012 2013 2014 l'eau le le Makissal utilisé travail qui a été fait en amont pour que l'électricité monte stable au Sénégal mais il n'a pas cherché à faire de l'électricité moins chère rien du tout en 2017 il s'est rendu compte de cette de cette de cette euh, de de cette politique qui est inconcevable et il essaye de rattraper ça actuellement et il nous dit que il va atteindre 20% du mix énergétique en 2020. Il ne l'a pas atteint. Quand tu regardes la production de l'énergie au Sénégal, la production électrique au Sénégal, elle est à peu près de l'ordre de 12 à 13% en termes de solaire. Tout le reste, c'est fait avec du fossile ou bien c'est fait au travers des barrages. Donc, donc l'électricité propre l'électricité la moins chère, elle n'est pas aujourd'hui développée au Sénégal. Nous avons démontré que le prix du kilowattheure, qui est entre 100 et 135 francs CFA, le prix du kilowattheure, c'est trop cher. On a démontré que quand l'électricité vient du solaire, le prix du kilowattheure peut être de 10 francs CFA. Le kilowattheure, 10 francs CFA, moins de rhum. C'est quoi que moun 20 francs, 30 francs, 40 francs, 50 francs. mais konen mais mais dou 130 francs. C'est démontré nous dans d'autres émissions émissions que sénégal Sénégal bin de subventionné à hauteur de 100 milliards, entre 80 et 120 milliards par an, pour que nous ayons à bi 135 francs le Parce que sinon nous devons koy plus cher. Donc, il faut compenser les pertes de production de la Sénélec entre 80 et 130 milliards. Donc, est compensé une entreprise qui produit de l'électricité trop chère, qui est déficitaire, Yanko est compensé entre 100 et 130 milliards. Et en même temps, est 130 francs, une électricité qui devrait nous revenir normalement, comme je t'ai dit, à 10 francs CFA. Donc il y a un problème. C'est des problèmes de choix étatiques. C'est des grands choix qui doivent être faits. J'ai développé la notion de centrale thermodynamique solaire. Je ne vais pas revenir dessus ici, parce que Daphne Yagal. Mais centrale thermodynamique solaire, le prix du kilowattheure, c'est 10 francs CFA. Le Maroc on a construit deux. Il est à, ce qu'on appelle euh, l'expérience Nour 2. Nour en arabe veut dire lumière. Donc il utilise la lumière du soleil pour fabriquer du courant. D'accord L'Arabie saoudite, ils en sont à un plan pharaonique de 25 gigawatts qu'ils sont en train de construire. Le Qatar, pareil. L'Algérie on a construit. L'Espagne est plein de centrales thermodynamiques solaires. La Floride, il y en a beaucoup. L'Italie, il y en a. Partout, ça se construit. Et au Sénégal, il n'y a même pas une seule expérience. On parle que de, que de, que de panneaux voltaïques. Les panneaux voltaïques, c'est bien, mais il y a un inconvénient sur les panneaux voltaïques, c'est que l'énergie est stockée dans des batteries. Et quand tu utilises cette énergie après que les batteries sont en plat, ou bien la nuit, il n'y a pas de soleil, donc tu utilises tes batteries. Si la batterie n'est qu'à plat, tu n'as plus d'énergie. Tandis qu'une centrale thermodynamique solaire, parce que c'est de la thermodynamie, te donne de l'électricité même quand le soleil est couché. Parce que si le temps entre le coucher et le lever du soleil est plus petit que 16 heures de temps, tu fait continuer de produire tout le temps. Or, nous, entre le coucher et le lever du soleil, il ne se passe pas plus de 10 heures. Donc, on est dans le créneau. Donc, on est très bien placé pour mettre en place des centrales thermodynamiques solaires. Le rendement de ces centrales thermodynamiques solaires est de l'ordre de 10 francs CFA. En Norvège même, je pense qu'ils disent c'est 7 francs CFA. Donc, je te dis qu'ici, nous avons un problème de déficit énergétique. Nous avons, coller en Afrique, chaque personne, en général, en Afrique sud-saharienne, 500 kWh. On utilise 500 kWh en général euh, par jour en Afrique. D'accord En même temps, en Chine, par personne, c'est 4000 kWh par jour. En Europe, c'est 6000 aux États-Unis, Canada, etc., c'est 15 000. Donc, donc, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en Afrique, on n'a pas d'énergie. On n'utilise pas ça. Soit parce que c'est trop cher, soit parce qu'on n'arrive pas à le mettre en place. Donc la question chez nous, c'est comment avoir de l'énergie en abondance et à moindre coût. c'est une politique étatique. Yo yang me aurait oh, affaire au Aquilé et tout ça, mais ça c'est vraiment euh, globalement marem, mais ça c'est pipi de chat. C'est pas ça qui va nous sauver au niveau énergétique. Ça c'est les problèmes de, de voyous qui nous dirigent dans ce pays-là et qui font pas les choses normalement. Donc je rentre même pas dedans parce qu'il nous manque tellement d'éléments pour analyser. Mais ce que je veux te dire, une politique énergétique, c'est pour ça que je te dis, les programmes de toute formation politique Bon, je vais d'abord voir quelle est sa politique au plan de l'énergie si c'est pour reprendre la Sénélec en me disant on va réarranger tel transformateur et tout ça je ne voterai jamais de ma vie pour toi parce que pour moi tu n'as rien compris si tu vas vers cette dynamique là à savoir trouver de l'énergie en abondance et à moindre coût tu m'intéresses je continue à regarder ton programme donc pour moi l'axe de la bataille c'est l'énergie si tu n'es pas dans les bonnes dispositions d'où me le pour cette langue proposée donc tey la pauvreté elle est reliée au niveau de l'énergie plus un pays a de l'énergie plus il va vers de la richesse il produit de la richesse moins il a d'énergie plus il est pauvre donc il y a une adéquation entre la pauvreté et l'énergie donc, moi, ce que je pense, c'est qu'aujourd'hui au Sénégal, il y a des balbutiements, on tente d'aller vers le solaire, et je te dis que Macky Sall a raté son premier mandat parce qu'il a raté son tournant énergétique. Je l'ai développé partout, je l'ai dit partout, personne ne m'a répondu. Je dis quand on a raté son tournant énergétique, on a raté son mandat. Donc le premier mandat de Macky Sall a été raté. Là, il tente, il fait le maximum, il fait un forcing pour essayer de se rattraper sur cette question, parce qu'il sait que c'est là-dessus qu'on va le juger et que c'est là-dessus qu'il va pouvoir effectivement mettre en place des entreprises qui vont fonctionner, mettre en place une dynamique. Parce que l'électricité, sous une d'ailleurs entreprise entreprise est nuit ay salariés donc dafay am emploi emploi de nuit fay Impôt, si c'est un salaire, entreprise de nuit en bénéfice, pas de nuit produire, de nuit fait. Impôt, parce que l'énergie n'est pas chère, donc ils vont produire à moindre coût. Avec cet argent-là que l'État va recevoir, d'une construire à route, d'une construire des hôpitaux, d'une défli, d'une défla. Donc c'est un dynamisme. D'accord Bon, bon, ah, mais électricité, dort, parce que euh, euh, temps hiver, temps hivernage, tant l'ulaner tant yep munga munga munga bay, avec des machines euh, euh, qui utilisent de l'énergie et puis nga autrement qu'avant avec avec euh, une une une une bonne machinerie qui qui qui qui est valable l'élevage va fonctionner mieux parce que tu vas faire un meilleur traitement des animaux tu vas pouvoir faire des traire animaux plus facilement tu vas pouvoir conserver ton lait tu vas il y aura des produits de transformation qui vont fonctionner le système de la pêche va fonctionner mieux parce que vous pêchez d'une commune Google dans des armoires frigorifiques, hein, dans des armoires de, avec des, dans des frigos, et les familles vont pouvoir acheter plusieurs types de poissons, Dougal Kosen congélateur, parce que congélateur du dañu d'or parce que courant bi du cher etc. donc nga bu d'une gën ngay donc c'est plus rentable tu pourras transformer euh, tes oignons euh, nga sécher leen au lieu que bolen bolen boo euh, si si si si champs yi tout de suite parce que sinon fait pourrir alors que là, sur que sécher, donc sécher, il faut du courant, il faut de l'énergie. Donc, toutes les industries de transformation de nos produits halieutiques, agricoles, patati patata, pourront se faire avec de l'énergie. Bon, bref, je ne suis pas en train de passer une thèse ici sur l'énergie, mais je veux te dire, sans énergie, on va nulle part. Donc, il faut de l'énergie en abondance et à moindre coût. Et je te dis qu'à l'heure actuelle, le gouvernement de Macky Sall, il a raté son premier mandat là-dessus, son deuxième mandat, et pour l'instant, il ne va pas encore dans la bonne direction. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Benjeloum. heure bi rek moo ñu xoj waaye point bi nga mujjee euh, développé macha allah temps bi suñu ko permettroon gën ci euh, parce que riche lol lol lol parce que ne L'accès de la bataille, c'est l'énergie. Quand il y a plus d'énergie dans un pays, donc il y a impérativement des pas vers la richesse. Ténégane, Macky président Macky autant pour moi, faut la rater son tournant énergétique. donc rater son mandat parce que nous mënut développer à 100% sans passer par l'énergie du moment que nous ñi ngi nekk ci ay centrale dynamique solaire yi nga xamante ça va ça allait revenir à un coût moindre 10 francs pour le kilowatt heure té mu am pas mal de pays peut-être ñun par faute de mauvaise euh, politique ñu nekk ci euh, innovation bi naan panovoltaïque yi nga à tout moment mën na am euh, panne kon du foofu la ñuy xaar état na pousser ay ambition na pousser politique à des orientations beaucoup plus claires ba dëkk bi mën a suqaliku kon nag euh, ñu ngi koy jox rendez-vous ci gouvernement bu beesam bi parce que selon vous monsieur Benjelom. ni xarañ lool ci walu énergie so koy wax dañuy gis engouement bi ci nekk li ngay wax si sa dund lay jógee ndax lan sa dëkk rek moo la ñor sénégal rek euh, moo la ñor kon nañu xoolaat politique bi nan lañ koy defee na intérêt askan wi rek euh, tax ñuy liggéey peut-être moyen ressources yi des fois da fiy nekk mais manque de volonté politique aussi tamit da ciy nekk kon nag euh, monsieur ñu ngi lay sant di la gërëm di remercier une fois de plus si sa réponse à notre appel vraiment l'échange était riche en idées des idées yëpp positif macha allah xëy na kañ dafa fekk ne rek bu ñu dajante ci plateau bi dafa foo ñuy sànnante ay xeer te loolu yëpp nag pour ñaaxaatoo population bi ñu gën xoolaat seen taxawaay monsieur euh, Bengeloun nee na nit ki loo wax tey na nga ko sàmmaat euh, ëllëg ndaxte ëllëg lu jara sedd la te boo jiitee mbooloo na nga bàyyi xel mbooloo ma ndaxte mbooloo ma suñ la toppee am na lu tax ñu topp la yaakaar tax na principe tax na valeur tax na bokkoon ku nekk bul jaay sa ngor pour des miettes alal day jeex waaye nag jikko ju rafet sedd bu rafet fii lay des kon nag ñu ngi def appel aux hommes politiques ñu xoolaat bu baax ni ñuy taxawee te bàyyi dil yi comme niñ koy waxee kon nag monsieur benn Bengelloune ma jox la kàddu gi rek nga tàggu auditeur ak auditrice bu sunu kër FM ñuy dox dig dajee peut-être que euh, beneen yoon bu la ko jot maye te yàlla bu ñu fi bàyyi tamit euh, ñu nekk en vie mu ñu ànd ak wér ak wérle waaye sant ak ngërëm ñeel nañ lool monsieur Aboubacar ben man m'it remercier parce que vraiment ces questions là c'était très très pertinent et puis euh, il y aussi euh, une manière de te répondre Khalati aussi tout et je pense que c'était bien échange Nudef. bon euh, man j'ai j'ai donné mon point de vue certes mais comme je te dirais que moi, je ne suis pas dans une dynamique man et de ni rien du tout. J'ai un avis que je partage et que je veux bien discuter avec tout le monde sans amayer, parce que y mom dang discuter et, et puis ou bien ci nit nini di pas avec roll et puis comme ça tu vas pouvoir apprendre d'eux comme yom apprendrait si apprendre Oudal parce que nous que si aussi on ne le maîtrise pas au pays il y a des gens au niveau du pays qui peuvent nous l'apporter comme nous aussi on peut leur apporter par nous euh, nous vécu dans les pays d'accueil euh, nous vision nous participation dans les entreprises yu etc. etc., font qu'on est quand même des vecteurs de développement assez incontournables nga de que tout gouvernement ce ko de façon très consciente et très et très correcte en fin de compte que la diaspora euh, jouait sa partition jouer son rôle dans le développement du Sénégal nous, et, je pense que euh, cette capacité que bu Amsibir am ci à diaspora ce à savoir nous, vie ce nous, comment on appelle ça famille et tout ça etc notre nos salaires ne viennent pas des politiciens donc on est assez libre pour donner nous avis ça c'est un avantage que nous avons qui est réel et on doit jouer à fond là-dessus pour ne pas suivre n'importe quoi n'importe quel dirigeant politique pour ne pas être des militants moutonniers mais vraiment des xalaat ak di qu'on en fait partie ah que nous, duñu décider rek ñun ñuy diaspora bi rek di sur les questions de la diaspora la diaspora vu son engagement vu lu de indi de dëkk bi plus que parler de la diaspora Il faut avoir sur les choix économiques sur les choix prioritaires à ñu on doit nous consulter on doit être capable de donner notre avis man toujours lu quand les hommes politiques nous disent voici diaspora bi ban politique am ni que si politique Sénégal ñun amuñu droit wax quoi alors que on a nécessairement le devoir d'en parler parce qu'on vit autre chose on a d'autres expériences qu'on doit mettre effectivement à la, au profit du développement de notre pays. Donc vraiment, je te remercie, d'y remercier les auditeurs de Snooker et puis de l'émission. Euh, maa ngi leen nuyu ñëpp di leen sant et j'espère euh, donc euh, à la prochaine que nous mun aussi des plateaux pareils aussi riches allez merci beaucoup Marème et à bientôt. jërëjëf monsieur Bengelou l'honneur vous revient kon nag maa ngi profité di tàggatoo fidèles auditeurs et auditrices bu Sunuker FM di leen di jox rendez-vous dans les jours prochains. Et ce sera dans, dans un nouveau numéro, Inch'Allah, au, Rabbi. te ñaan yàlla rek euh, yalla kattanal ñu wéral ñu dëgëral euh, rajo bi ba fi nga xamantene information yëpp dina fa mëna jaar te muy nekk information yi jëriñ adina wërngal euh, képp kon nak ñu ngi leen di sante di leen gërëm te leen di rendez-vous À la prochaine, Inch'Allah.